1 million, nous avons un groupement de 10 personnes. Le groupement de 10 personnes, nous avons ce 100 000. Il y a de 100 000 Mais entre les groupements, chaque groupement a donné 1 million pour la première fois. Inch'Allah Rabbi, quand on parle d'INSEP, ont 1 million, ils ont commencé à 10 millions tout dépend du remboursement nous l'avons déjà essayé ci taux monde monde ne nous bi je ne vois pas ku on fait 4,5%, 4,5% que un problème je ne pense pas et je souhaite aussi femmes comme nous journalistes les aussi

5 quatre députés c'est un peu difficile déjà raison pour laquelle sax Ousmane Sonko avec son intelligence ne dem les alliés parce que pourquoi timing déjà bi même nous, en tant que passif, pour nous faire investissement pour nous faire investiture il y avait trop trop trop de problèmes la raison pour laquelle nous, ñun bañ fa dañoo waxtaan ak ñoom ne leen nous ne demandons rien mais inshallah rabbi képp lépp loo xam ne defoon nañ ko ci président yi dañ ko def ci législatif yi parce que wax naa ko léegi dafa am loo xam ne c'est incohérent parce que mënoo jël un président de la république nga fal ko jël li nga xam ne mooy assemblée nationale di ko joxe di ko fa joxe inféri infériorité loolu mënul nekk te loolu yéen journalistes yi xam ngeen ko tey jii buñ ko defoon non seulement dëkk bi mu ngi dox eh, ñi nga xam ne ñoo investiture ñu ngi eh, ñu investir ñu ngi ñëw li nga xam mooy apaisement social apaisement politique apaisement politique apaisement économique am na ci dëkk bi te loolu amu fi woon